Chers auditrices et auditeurs, bonjour et merci de votre fidélité à nos programmes. Vous nous recevez grâce à nos radios partenaires partout où vous êtes au Niger. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est la fin de la semaine. Une semaine que j'espère remplie de bonheur et de gâté pour vous. Je suis Olivier Assogbavi et pour le rendez-vous de ce matin, je suis avec Salamatou Kadri. La technique est assurée par Mustapha Ayouba Adama qui est notre chef d'édition. Salamatou, bonjour. Bonjour Oloy, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, Dieu merci et j'espère pareil chez nos auditrices et auditeurs. Pour ce dernier rendez-vous de la semaine, nous avons une proposition variée allant du flash info à la revue de la presse sans oublier le portrait du jour. Dans la rubrique culture, Farid Bouraïma nous propose une immersion dans la mosquée Tegoun dans la région d'Agadez à raison de la sainteté de ce mois pour la communauté musulmane. Il n'y aura pas de musique cette journée. Nous sommes là pour une heure de radio et nous espérons, et nous vous espérons fidèles jusqu'au bout. Le Niger sur Kalangou démarre avec le flash d'info de Nafissa Amadou. Sirfo Nafisa Adam Ah ouais, Nafi, ça, Adam Moussifo. Comment tu vas, Nafi Très bien, bonjour à vous. Alors, bonjour, Nafi. Qu'est-ce qu'il y a au flash Aujourd'hui, le Conseil des ministres a adopté hier, 23 mars, le rapport sur la performance de l'action gouvernementale. Il ressort donc des conclusions de ce Conseil que le présent rapport correspond à deux ans de mise en œuvre du programme de renaissance à Acte 3. Toujours selon la même source, le rapport fait le point en termes notamment des réalisations physiques et financières ainsi que de le des principaux indicateurs sectoriels. Ce 24 mars, le monde commémore la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la célébration de cette journée a pour objectif de sensibiliser le public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie et d'intensifier l'action pour mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. Nous ferons le point sur la situation de cette maladie au Niger de notre édition d'information de 17h. Enfin, la région d'Agadez a enregistré ces dernières années une baisse de la fécondité chez les femmes en âge de procréer. C'est selon le médecin-chef adjoint du district sanitaire de la commune d'Agadez, Interrogé par le studio Kalangu, il ajoute que cette situation est due aux séances de sensibilisation sur la planification familiale faite à la population. Vous aurez d'amples précisions dans le journal de 17h. Et c'est la fin de ce flash. Merci Nafisa pour ce flash d'information qui nous lance pleinement dans ce numéro de notre émission Le Niger sur Kalangu. Il est temps pour nous de recevoir notre invité du jour. Mais bien avant, qui dit Ramadan dit des habitudes de jeûne. Après la rupture du jeûne, le nutritionniste nous recommande, recommande à tous les jeûneurs des boissons bénéfiques pour le développement de son organisme, mais avec modération. C'est ce qu'explique Abdul Razak Bello, nutritionniste. Il est au micro de Fatih Malab Yaro. Faut-il consommer de la viande poisson au moment de la rupture L'autre habitude pas bonne que nous avons, c'est de consommer de grandes quantités, notamment de viande. Donc la viande, elle est importante parce qu'elle va apporter des protéines, que ce soit la viande, le poisson ou autres aliments similaires, sont des aliments qui sont à conseiller pour le jeûneur, mais il ne faudrait pas consommer des quantités importantes. Donc voilà un peu le décalage qu'il faut avoir au moment de la rupture. Manger de la nourriture directement est-il conseillé pour la rupture On peut consommer les aliments qui contiennent des céréales, notamment des aliments plus lourds, si c'est le repas de la journée, que ce soit le riz, que ce soit la pâte de mil, de maïs ou autre chose. Donc ces aliments peuvent être consommés pour permettre euh, d'avoir de l'énergie. Donc ceci me permet simplement de dire à travers les différents aliments que j'ai énoncés que le jeûneur il doit également être en situation d'équilibre et c'est pour ça que le jeûneur doit avoir des aliments qui lui apportent des vitamines et des sels minéraux, c'est les fruits et légumes que j'ai évoqués. Des aliments qui lui apportent des protéines, c'est le cas des viandes, poissons, œufs. Et des aliments qui lui apportent de l'énergie, c'est le cas des céréales et des tubercules. Quelles sont les précautions à prendre pendant la pré-rupture La première précaution, c'est d'éviter de vouloir faire un rattrapage parce que certains sont enclins à faire un rattrapage de la nourriture qu'on n'a pas pu manger dans la journée, ce qui fait qu'on mange de grandes quantités en très peu de temps, ce qui peut renforcer les troubles digestifs, ce qui peut renforcer les sensations de fatigue. La deuxième chose qu'il faudrait également éviter, comme je l'ai dit, c'est de consommer de quantités excessives de boissons sucrées, parce que cela peut avoir un effet sur le déroulement du jeûne dans la journée suivante. Quand je prends beaucoup de produits sucrés, donc je serai euh, j'aurai plus tendance à développer une hypoglycémie dans la journée. Et l'autre précaution, la dernière précaution à prendre, ce que beaucoup de gens font, c'est de manger et de se mettre au lit. C'est absolument une chose à ne pas faire parce que tout simplement, lorsque on fait cette, on a cette habitude, donc cette habitude pour conséquence de pouvoir renforcer la constipation. Donc, euh, lorsqu'on mange et qu'on se met au lit, donc on renforce la constipation. Donc, voilà un peu les principes généraux de l'alimentation au mois de la rupture il y a des différents aliments, mais le principe cardinal, c'est de se dire qu'il faut aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd. De l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd, c'est l'essentiel qu'il faut retenir de cette explication de M. Abdul Razak Bello. Il est nutritionniste. Merci infiniment à Fatih, Madame Yaro pour euh, cette interview. C'est le moment pour nous de recevoir notre invité du jour. Et aujourd'hui, pour vous, chers auditrices et auditeurs, nous recevons le grand maître Soumana Seydou lui qui est difficile à se présenter, alors on lui demande de se présenter. Alors bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors présentez-vous pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Oui, donc moi c'est Maître Soumana Seydou, euh, je suis ceinture noire deuxième dan jujutsu traditionnel, euh, quatrième dan jujutsu hapkijutsu. Donc, euh, et aussi première dan ceinture noire Koksuluan. Pouvez-vous nous présenter à présent votre parcours en tant que pratiquant de cet art et surtout comment avez-vous commencé à vous intéresser à cet art martial Oui, bon, euh, euh, pour le Habki Jutsu, le Habki Jutsu dont je suis le précurseur ici au Niger, a vu le jour euh, au mois de novembre ici au Niger, donc après un stage effectué 2022. 2022. après un stage effectué à Tunisie, en Tunisie plus précisément à Sousse. C'est un stage euh, international qui a été organisé donc à Tunisie donc par le fondateur même de cet art martial qui est né en 2018 d'ailleurs. Donc euh, à l'issue de ce stage-là, j'étais sorti euh, quatrième dan et là également, il y a eu l'élection de la Confédération africaine de Habki d'où je suis sorti le président de la Confédération, premier assistant mondial de cet art martial. Alors, il y a combien de pays dans la Confédération actuellement Oui, dans la Confédération, on était huit pays présents lors de listage international. Donc, euh, et ça, je peux dire que euh, c'est le Niger qui en gagne parce que moi, j'étais, j'étais, je n'étais pas favori au début euh, pour cette élection. Donc, euh, vu les prouesses, si on peut le dire, les capacités euh, de surmonter certaines épreuves, nous je suis sorti euh, nommé par le fondateur même de cet art martial, qui est Neviam Dan, il est d'origine tunisienne, il s'appelle Grand Maître Farhat Amara Rebaï, qui m'a désigné officiellement devant les autorités tunisiennes le premier assistant mondial de cet art martial. Donc je peux dire que à l'archive du Niger, ça c'est le Niger qui en gagne. Merci. Et c'est bon pour ceux, qui nous écoutent pour leur culture générale. Dans mes recherches, dans nos recherches, nous sommes tombés sur le Hapkido. Qui, on a envie de savoir quelle est la différence aujourd'hui entre le Hapkido et le Hapki que vous, que vous, pratiquez. Donc euh, le, Hapkido est né dans les années 1946. Euh, le Hapki Jutsu, la différence entre l'autre Hapki, donc c'est le dos. D'où quand on dit c'est l'enseignement direct. Or, ici, quand vous voyez le hapki jutsu, le hap qui veut dire union ou coordination, le ki qui signifie énergie ou résistance, maintenant le jutsu qui signifie souplesse ou technique tout simplement. Donc l'art de la souplesse ou la coordination synchronisation de ces techniques dans la souplesse. Donc euh, dans, nos, dans, nos, enseignements, nous avons euh, trois panneaux d'enseignement à savoir l'idéal. L'idéal, c'est dans la salle avec euh, les débutants ou non, donc les pratiquants qui souvent se reconvertissent. Ça, c'est l'idéal. L'idéal, c'est l'enseignement de progression. Alors, en dehors de ça, il y a aussi euh, les, techniques forcées qui sont la rue. Donc dans la rue, comment je me prends dans la rue Là aussi, en cas d'agression, en cas d'agression, mm. il y a l'enseignement pour ça. Il y a l'autre aussi volet que, qui est exclusivement réservé vraiment pour les FDS, c'est-à-dire ça, c'est euh, les techniques mortelles. Mm. Souvent, ça allait de ça, c'est la guerre. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette discipline, il y a un volet civil et un volet militaire. Oui, ce que vous effectivement, effectivement, il y, il y, a, un volet vraiment dédié uniquement que pour des FDS et autres. responsables de haut niveau. Et vous, vous pratiquez les deux j'ai j'en les deux. Et vous formez aussi dans les deux Effectivement, j'ai formé beaucoup de gens dans ce domaine. Même au niveau du dojo, c'est au grade avancé seulement que, j'arrive à, écouler quelques techniques bon, qui n'est pas tellement violent, mais pour continuer aussi à pérenniser ces techniques ou l'enseignement d'une manière générale. Alors, l'une des particularités des arts martiaux en général et de votre art aussi en particulier, c'est qu'aussi au-delà du sport, au-delà de tout ce qui est physique, il y a un travail éducationnel qui se fait. Est-ce pareil avec votre, votre art Effectivement, euh, les arts martiaux, moi, pour moi, dépassent ce, cadre du sport. Parce que là où on, on essaye d'associer ou de, de, faire la synchronisation entre notre mental et notre physique, ça, ça devient purement de la science. Et là, le côté éducatif intervient cela. Et du coup, l'éducation, moi je dis, il y a une anecdote qui dit, japonaise qui dit, eh, eh, une mère vous dit père et un maître vous dit mère Donc là, déjà, tout est dit. Nous enseignons, nous encadrons, et pour que eh, même un programme élaboré pour euh, la non-violence au milieu scolaire qui sera très bientôt présenté aux uns aux autres. Et on est vraiment en synergie avec euh, le ministère de l'Éducation, certains cadres qui sont en train de voir comment est-ce que nous pouvons faire pour intégrer ce, cet art martial vraiment qui est purement éducatif. Donc euh, vraiment, il y a toute la matière, on peut dire, ici à, pérenniser. Donc déjà euh, au niveau du dojo, on a assez d'éléments pour qu'on puisse partir vers cette promotion. Euh, comme vous le constatez, ça tombe au mois du carême, après vraiment des intenses travaux de quatre mois avec ces adeptes. Donc vraiment, on a pu euh, asseoir une base de données réelle pour qu'on puisse partir vers le public avec ce nouvel art martial. Merci beaucoup. Maître Soumana, qu'est-ce qui distingue l'art euh, Zuzutsu, je crois que c'est comme ça, non Zutsu, mhm, à d'autres arts martiaux tels que le, je sais pas, le kung fu ou bien le karaté, parce que parfois nous on a du mal à différencier les deux arts, surtout le kung fu et le Zutsu. Oui, bon, là je, je prends la parole aussi en tant que secrétaire général de la Fédération nigérienne de Jiu-Jitsu, mhm. président de la nouvelle association Hapki Jitsu. Mhm. Alors, Là, le Jujutsu est né vers le 6e siècle. Donc la première école du Jujutsu a été créée en 1625 à Kitoriu. Donc euh, c'est le seul art qui n'a pas un fondateur propre. C'est l'expertise de plusieurs écoles qui a conçu ce module. Ça dit, c'était de l'intelligence collective. C'était de l'intelligence collective. Ah. Donc à l'époque, c'était les Japonais seulement qui ont pu euh, euh, garder ce secret les 700 ans de, de l'ère Meiji, vraiment euh, au Kazimoto, donc les 700 années, leur, bon, on peut dire la violence. Parce qu'avant, le jujutsu, on appelait ça bujutsu. C'était l'art de survie. Pas de sport ou bien de... Non, c'était l'art de survie. Et donc, c'est cette violence d'ailleurs que beaucoup ont couplé euh, à cet art martial pour que euh, certains, c'est dans ça que ressortit le judo, c'est dans le jujutsu qu'on extrait le Hapkido, mhm. c'est dans le Jiu-Jitsu qui a été extrait l'Aikido, puisque ce sont les élèves de ce art martial. Ils étaient les premiers au rang euh, de ce art pour dans la promotion, dans le cadre de la promotion. Puisque, comme je vous l'avais annoncé, le premier, euh, la première édition olympique, quand le Jujutsu a présenté des élèves, il y a eu 33 personnes fracturées. Ah Donc, du coup, voilà pourquoi c'était pas facile et jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore sport olympique. Mais quand même, pour alléger et, eh, eh, certaines dérives, voilà le judo qui est sorti par Jigoro Kano, l'aïkido qui n'est pas encore un sport compétitif, puisque euh, c'est tout simplement la volonté du maître qu'il a, créé, qui est Oseba Muretu. Donc, vraiment, et quand vous voyez le karatéka, le kempo, la plupart de ces arts martiaux que vous voyez, sont vraiment extraits de ce sujet Et nous allons mettre une pause pour retrouver notre chroniqueur Michel Déju pour la revue de presse. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalango. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio kalango Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Michel Dedi, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Salamoto. bonjour à nos auditeurs. Actualité oblige, Michel, beaucoup de journaux ont parlé dans leur colonne du Ramadan 2023 de l'année 1444 de l'Égypte qui a commencé hier. Oui, Olivier, en effet, l'hebdomadaire Sahel Dimanche rappelle de ce fait que depuis hier jeudi, nous sommes entrés dans le mois du jeûne de Ramadan, un moment de dévotion, un moment de dévotion et d'introspection pour les musulmans et ce pendant 29 ou 30 jours. Sahel dimanche souligne par ailleurs que cette période de Ramadan commence dans un contexte euh, d'inflation où les produits les plus sollicités connaissent déjà une flambée des prix malgré la promesse faite par les commerçants importateurs au gouvernement de maintenir un niveau de prix stable. Nous restons dans les colonnes du Sahel dimanche qui titre Chaque fois des promesses sans résultat tangible. C'est quoi le problème oui, Olivier Sahel Dimanche s'est justement intéressé à cette question. Selon lui, je cite, le nœud du problème recurrent de cette flambée des prix ne se situe pas au niveau des commerçants importateurs. Le problème, ce sont les demi-grossistes et autres détaillants qui font monter artificiellement les prix. Ils profitent de l'attitude des consommateurs nigériens qui attendent toujours la dernière minute pour se ruer sur les marchés et les mêmes produits, apportant ainsi de l'eau au moulin de ces spéculateurs sans foi. Fin de citation. Le gouvernement déplore la persistance des attaques terroristes durant ces deux dernières années, a écrit l'agence nigérienne de la presse, enfin l'agence nigérienne de presse ANP. Oui, le gouvernement nigérien déplore la persistance d'attaques terroristes dans la zone des trois frontières et d'autres actes criminels visant surtout la population civile durant ces deux dernières années, rapporte un communiqué à l'issue du Conseil des ministres tenu hier jeudi 23 mars 2023, rapporte nos confrères de l'agence nigérienne de presse ANP l'ANP qui précise que, selon le communiqué, le rapport indique que relativement à la sécurité des personnes et des biens, en dépit d'importants succès enregistrés par les forces de défense et de sécurité, se traduisant notamment par le retour des populations déplacées internes dans leur localité d'origine, le contexte est marqué par la persistance d'attaques terroristes dans la zone des trois frontières et d'autres actes criminels visant surtout la population civile. Investi président de la République du Niger, le 2 avril 2021, Mohamed Bazoum a promis la lutte énergique contre l'insécurité et à laquelle fait face le pays, notamment à cause des exactions des groupes terroristes qui opèrent dans l'extrême sud-est et le nord-ouest du pays, conclut l'agence de presse gouvernementale ANP. Insécurité urbaine, fin de parcours pour trois réseaux de malfrats à Niamey, titre pour sa part le journal Niger Inter. Oui, Olivier, c'est pour informer que la direction de la police judiciaire a mis la main sur trois réseaux de malfaiteurs opérant dans la ville de Niamey ces individus qui sèment la piscose dans la population ont à leur actif plusieurs vols à main armée et des cambriolages des divers quartiers de dans divers quartiers de Niamey. Ils ont été présentés mercredi à la presse. Le premier réseau est composé de deux individus spécialisés dans le vol en réunion à main armée au niveau des agences de transfert d'argent à travers la ville de Niamey quant au deuxième réseau composé de cinq individus, individus dont deux jeunes filles. il opère la nuit sur la voie publique et généralement sous les échangeurs. Le mode opératoire de cette bande consiste à utiliser une des jeunes filles comme appât sur le bas côté de la route pour simuler un autostop Quant au troisième réseau, il est composé de deux individus qui sont spécialisés dans le vol en réunion à l'arraché à main armée avec usage d'une moto, souligne Niger Inter. Le procureur de la République après le tribunal de Niamey, Cheibou Moussa, a lancé un appel à la population pour plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité, a conclu Niger Inter. Et c'est mm. tout pour ce flash d'information. Ben, merci beaucoup, Michel Dédi. Merci, c'est plutôt la fin de la revue de la presse. Nous poursuivons ce rendez-vous du Niger sur Kalango avec un autre invité du jour, le grand maître Soumana Seydou, avec qui nous abordons les contours de l'art Apki Joutou. Un nouvel art ben, qui passionne déjà tant de jeunes. Aujourd'hui, on a envie de savoir comment la population, les jeunes nigériens et nigériennes aussi, j'espère, bah, ont accueilli cet art. Oui, cet art a été vraiment accueilli favorablement parce que au, début, j'avais des adeptes qui sont là, des, pratiquants avant, avant même l'introduction de cet art, donc qui faisaient le jujutsu. Donc euh, la, reconversion, de ces adeptes qui n'est pas tellement, tellement euh, je peux dire, euh, lourd, puisque c'est une suite logique à continuer. Donc, euh, du coup, 60% euh, de nos techniques sortent du, jiu jujitsu, comme je l'ai dit, et de l'autre côté s'ajoutent euh, d'autres techniques pour qu'on puisse avoir le panoplie de notre hapkijutsu. Donc, à peu près, c'est les mêmes contextes, c'est les mêmes techniques qui continuent, mais d'une autre forme. Donc là, du coup, vraiment, ça a été facilement adopté par tous ces adeptes qu'on a aujourd'hui et nous continuons toujours à entraîner tous ces élèves-là que nous sommes en train d'accueillir toujours dans nos dojos. Il y a des nouveaux recrues aussi. Et il y a des nouveaux, il y a des nouveaux, tout comme il y a des ceintures blanches. Il y a aussi les para habki qu'il faut notifier. Il y a le do donc ça c'est des modules conçus uniquement pour les femmes, donc en self-défense personnelle aussi. Donc tous ces, tous ces modules sont disponibles au niveau du dojo. Maître Soumana, comment est-ce que les pratiquants peuvent progresser dans leur formation et devenir des maîtres d'art eux-mêmes Effectivement, nous avons euh, ce volet-là aussi. Nous les appelons les académiciens. Donc c'est la progression normale de la ceinture blanche à la ceinture noire. Donc c'est un programme qui est là élaboré, donc euh, progressivement. Donc l'élève avance en fonction du module, en fonction du temps. Donc euh, c'est ça la progression normale. Donc suite à notre programme que nous avons eu de grand maître. Les arts martiaux sont souvent réputés être des arts de valeurs traditionnelles telles que l'honneur, la discipline et la loyauté. Comment ces valeurs sont-elles transmises aux nouvelles générations de, pratiquants Effectivement, partant du kimono, comme vous, venez de, le souligner, partant du kimono, c'est une valeur traditionnelle qu'on applique déjà. chaque dojo ou bien chaque, euh, chaque art a vraiment ses cultures. Donc euh, l'honneur, pour nous d'abord, les arts, c'est l'honneur. À partir de cet honneur, quand on dit honneur, euh, vraiment efficacité, et tout se résume en fonction de cela. Donc euh, honneur, qui fait honneur Honneur, ça c'est l'esprit samouraï. Donc chez les samouraïs, et la culture est honorée. tout, est, tout est lié à cette culture. Donc chaque dojo, comme je l'ai dit, et chaque pratiquant à son éducation infligée par cet art martial. Donc, euh, c'est des cultures traditionnelles que nous faisons, euh, nous sommes en train de pérenniser. Ça, ne change pas, hein, ça ne mm. change pas. Donc, c'est une continuité. qui est une continuité. Mm. Donc, euh, des kimonos jusqu'à la ceinture. Et donc, ça, c'est pour vous dire que c'est une logique d'éducation qui est préservée, qui est conservée par les maîtres. Super. Donc, depuis tout ce temps. La dernière question de cet entretien, c'est le grand rendez-vous que vous êtes en train de préparer. Mhm. Du 5 au 7 mai 2023, le Niger accueille une grande rencontre des pratiquants de l'art Zoutchou. Comment vous préparez cette rencontre Effectivement, c'est lors de notre stage en Tunisie à Sousse que ce stage international est ciblé de faire un stage international après l'élection de la Confédération africaine de Hapkijitsu, le bureau mis en place, dont je suis sorti président. Et là, il y a le Maroc qui s'est affiché comme candidat. Bon, moi, je ne le savais pas, parce que c'est après avoir demandé les stages-là au Niger, pour le Niger, que j'ai su que le Maroc aussi était candidat à ce stage-là, qui, je crois, est quelque chose d'extraordinaire. Même pour euh, l'organisation pour notre pays qui est honorée, le seul ministre qui a été honoré lors de ce stage, stage-là, qui a regroupé les huit pays, c'est le Niger. Le seul grand maître du Jiu-Jitsu qui maître, et euh, qui est maître Madé Boukar, qui est aussi mon maître, et a été honoré là-bas. Et le président de ma fédération, M. Yunus Mohamed, qui a été aussi honoré. Donc, du coup, pour moi, euh, l'honneur est au Niger d'organiser ce championnat et pas le championnat, ce hmm. stage international. Ce stage international. Donc il y aura des grands maîtres qui Il y aura des grands maîtres vraiment de ces cinq continents qui, vont, qui vont. Et le, et le, spectacle sera beau, on ah, l'espère. ce sera autre. Il n'y a pas de problème. On sera de la partie. J'espère que vous, nous serons invités. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Grand maître Soumana, merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir participé à notre euh, émission. Nous espérons que cela a apporté beaucoup de connaissances à nos auditrices et auditeurs. C'est de la culture générale, c'est de la culture sportive. Eh bien, on sera ensemble du 5 au 7 mai avec vous pour voir, pour accueillir les invités et surtout bah, pour faire du beau match. Vous revenez ici quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier et toute l'équipe vraiment du studio Kalangu. Merci à vous. Je vous dis chapeau. Merci. Auditeurs, auditeurs. sommes prêts dans le 12 merci beaucoup. <laughs> auditeurs, auditrices, nous allons aborder notre rubrique hebdomadaire culture, une rubrique dans laquelle nous explorons les richesses culturelles et historiques du Niger. Destination l'Aïr. L'Aïr regorge, regorge d'importantes richesses culturelles. Dans la ville d'Iferouane se trouve l'une des plus vieilles mosquées de la région d'Agadez, la mosquée de Tefougoun. Farid Boureima, de retour de la région, nous a ramené une partie d'histoire. Il nous fait découvrir cette mosquée presque mythique de Tefougoun. Un reportage rendu au studio par Ali. masallacin tefugun da ke iferuan da aka gina da duwatsu da kuma laka na daga cikin masallaci ne mafi dadewa na jihar agades a huskarsa an yi shafe na siminti alhaji anusra aitok wani dattijo mazaunin iferuan ya bayyana mana tarihin wannan masallaci shi masallacin ga tun wajen shekara dari bakwai da wani abu aka yi shi mafarin yin shi shehun da yake nan da can bayan kori wannan suke wannan shehun zamanin waliyai ne aka ce ya yi shawara da ladan na baka ya zo ya fasali masallaci kamar waga to ran nan bayan sallar lisha aka yi abu kamar shafu sai ya duro bayan gidashi dama ya sani sai ya tahiyar shi ya sabkar da shi suka kona suna fira daga garin allah waye sai suka kamo tagosu suka darmi suka lokalin tafansu suka asa suka shawata da suna son masallacin ga su yi shi wancan kwate suna nan sai suka yi wani motsi an yi shi na washa da hansi makiyaya busashe sun firgita sun koma da sai suka taso suka zo nan da suka zo nan sai taguwa ta durkushe suka so su tada ta takiya taguwa shi kenan suka kenan ne mafarin inda aka fara masallacin tefugun ya yi zaman karɓar malamai da kuma mummunan musulmi a rawaito bayanai na tarihi da dama dangane da wannan masallaci akwai shahai wanda yake wani aka ce na sahara wani aka ce na kogi wani aka ce yana duwatsu su fudu ne to ilyas shi ne aka ce waliyan sa'an nan suka gan shi inda dai sai ya haska to akwai shahin da yake shi sai ya ce ya ya ce da dare duka yana tahiya bisa hasken nan da yake gani rana ta yi sai su sauka sai da ya sai azuru wannan dusun na azuru can ne suke ziyara yanzu wadansu suna ganin shi yanzu to akwai malamai da yawa nan yanzu da fari akwai shai da riba ba daya nan a ba ga sunan kaburukan yanzu kale kanan da yawa kaburu ce shekara in wata ga ta kama suna tahowa shi wadansu daga agadis wadansu gata tanu wadansu har na nigeria wani lokaci ana kulawa da su ka gansu dai yanzu har yanzu kiran na dani a samu Merci Farid Bourema de nous avoir amené cette partie de l'histoire, un reportage qui a été plutôt rendu au studio par Asumana Sina. Chers amis auditrices et auditeurs, nous poursuivons notre rendez-vous le hier sur Kalangou, cette fois-ci avec de la rubrique rose. Cette rubrique rose des femmes du studio Kalungu porte sur les astuces du traitement de cheveux et en cuisine. Nous découvrirons comment préparer la star des tubercules, la pomme de terre tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les amis, ravi de vous retrouver dans la rubrique rose, un espace dédié à la beauté et au bien-être. Dans l'espace beauté avec moi, Fanta, on fait pousser nos cheveux avec plein d'astuces. Et en cuisine, avec moi, Bibi, on va préparer autrement la star des tubercules en ce moment. Vous l'avez compris, il s'agit de la pomme de terre. Top, c'est parti. Coucou les filles, aujourd'hui nous allons parler des bains d'huile et de leur utilité pour nos cheveux. Le bain d'huile c'est cet incontournable allié en matière de soins capillaires, ce geste simple qui peut devenir votre routine pour la bonne croissance de vos cheveux. Pour réussir son bain d'huile, il est préférable de privilégier les huiles végétales, surtout lorsqu'il s'agit de cheveux abîmés. Grâce à leurs bons acides gras, les huiles végétales peuvent ainsi renforcer la fibre capillaire à la nourrissant pour réparer donc et aussi à la gainant pour protéger. Pour cela, il vous faut des huiles au toucher non gras qui sont capables de se lier aux cheveux pour les lisser. Donc, je partage avec vous quelques huiles végétales qui sont adaptées au bain capillaire. Il s'agit de l'huile de ricin, l'huile de Nigel que nous tous connaissons sous Habat qui est très indiqué pour freiner la chute des cheveux. Il y a aussi l'huile d'olive qu'on connaît sous manzeitoun, l'huile de coco, quoi, et l'huile d'argan. L'huile d'avocat aussi est très adaptée, surtout pour les cheveux secs. Il y a aussi le beurre de karité non raffiné. Certes, il alourdit les cheveux, mais il les répare bien, qu'ils soient très abîmés ou très secs, c'est-à-dire frisés, cassants et autres. Mais Fantala, là, il faut faire attention au... à l'odeur, hein, <laughs> parce que c'est pas vraiment parfumé. Hein. oui, mais après un bain d'huile, il faut laver ses cheveux, Rabi. Ça, c'est toujours important. Ok. Donc euh, pour la suite, Rabi, je partage avec vous une recette de bain capillaire et aussi des soins avec des huiles végétales. Donc pour le bain d'huile anti pellicule et pour la pousse des cheveux, il vous faut de l'huile de euh, l'huile de Ok, c'est ça, non Oui, voilà, Emilia Milia Il vous faut aussi de l'huile de sésame qui est mal lamti. Voilà, et un petit morceau, j'insiste, <laughs> de cristaux de menthe. faut vraiment pas abuser, sinon ça sera pas tenable. Ok. Donc, pour cela, vous chauffez un peu les huiles et vous ajoutez les cristaux de menthe pour les faire fondre. Et pour le bain d'huile anti-chute de cheveux, il vous faut du beurre de karité, de l'huile d'olive et un peu de poudre de Hilba, c'est-à-dire la poudre de fenugrec. Okay. Voilà. Ok, Fanta, mais comment procéder Comment les appliquer tout Donc, rabis pour l'un ou l'autre, vous appliquez l'huile sur le cuir chevelu, puis vous massez pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, vous couvrez euh, votre tête avec un bonnet pendant 20 minutes. Donc, je vous suggère de privilégier les bonnets euh, en plastique. Et ça, c'est à faire deux fois par semaine ou bien une seule fois par mois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, juste après, on lave les cheveux, c'est ça On ne garde pas le gras sur la tête, non, non. C'est pas intéressant, même pour votre bien-être en fait. Ok. après les cheveux, on s'occupe du ventre à présent. Enfin, notre star à la cuisine cette semaine, c'est la pomme de terre qui inonde les marchés en ce moment. Et dans la rubrique rose, nous avons cherché quelques idées pour la cuisiner autrement. Première recette, la pomme dauphine. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un demi-kilo de pommes de terre, 4 œufs, un quart de kilo de farine de blé, 100 g de beurre, un peu d'eau, du sel et du poivre. C'est vraiment super simple comme recette. Première étape, peler et découper les pommes de terre en gros morceaux. Faites bouillir les pommes de terre dans une casserole environ 30 minutes. Dans une seconde casserole, mélangez le beurre, et 10 centilitres d'eau, soit une tasse de café d'eau. Portez à ébullition le mélange, salez et ajoutez la farine. Remuez énergiquement à l'aide d'une spatule. Ici, on dit tout voilà, <laughs> voilà, hein, pour que le mélange soit bien oui, Vraiment bien remué. Lorsque la pâte se décolle des parois de la casserole, retirez du feu. Ajoutez progressivement les œufs en mélangeant énergiquement. Mais alors là, il va falloir laisser refroidir parce qu'il ne faut pas que les œufs cuisent en même temps. Voilà, oui. Mm. Il faut vraiment laisser refroidir un moment et après on intègre les œufs. Après cela, vous allez retirer vos pommes de terre de l'eau de cuisson, vous écrasez la pomme de terre en purée, vous l'incorporez à la préparation dans la seconde casserole. saler, poivrer et laisser refroidir le tout. Mais il faut vraiment bien mélanger pour que la pâte soit vraiment bien homogène et bien lisse. Ensuite, Faites chauffer l'huile de friture, versez la préparation dans une poche à douille. Les poches à douille, ce sont ces, sacs en plastique qu'on vend, avec lesquels on fait les euh, décorations de gâteaux. Voilà. maintenant il y en a vraiment beaucoup dans les commerces et tout. Donc vous découpez le bout et après vous formez des boules. Vous plongez euh, au fur et à mesure les boules dans l'huile bouillante. Vous faites frire vos pommes dauphines jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Vous les sortez de l'huile, vous les placez sur euh, du papier, voilà, un mouchoir, pour que le mouchoir absorbe le surplus d'huile et vous pouvez déguster. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans. Bonne suite de programme. À demain. Cette rubrique rose des femmes du studio Kalangu, bah, nous vous disons merci à toi, Rabi et Fanta, pour cette rubrique dans laquelle bah, on a quand même appris de belles choses sur le bien-être. C'est le moment pour nous de faire un tour en région et aujourd'hui, nous restons chez nous, nous restons dans la capitale, nous restons à Niamey. À Niamey, la Ouachar nous propose un reportage dans un salon de coiffure d'hommes. La coiffure est un métier embrassé ces derniers temps par les jeunes Nigériens, femmes et hommes. C'est là pour plusieurs raisons. Adamou Amadou, Dizoué, coiffeur Ayantala, relate ici les raisons qui poussent les jeunes à embrasser ces métiers. Les jeunes ont compris que la coiffure est un métier noble et ils se sont intégrés dedans. Chacun cherche à se former et ouvrir son propre salon. J'ai commencé, j'ai formé à peu près 10 à 11 apprenants qui, la plupart, ont leur propre atelier actuellement où je vous parle. après, on a une association qui a fait le partenariat avec euh, FAPCA en 2019, qui a eu euh, l'action de faire des formations avec euh, la proportion de FAPCA avec 80 apprenants, dont 50 jeunes garçons et 30 jeunes filles qui ont été dispatchés dans des différentes sortes de salons de coiffure, dont la formation a duré six mois. Après six mois, la FAPCA les a octroyés des attestations de formation. La plupart des problèmes qu'on rencontre c'est au niveau des jeunes qui sont vraiment un peu difficiles à gérer. La plupart se précipitent d'aller ouvrir des salons. Alors, il faut rester à faire la formation continue pendant un an, un an et demi. Là, tu vas te spécialiser, ouvrir ton propre salon. Les jeunes qui apprennent les métiers donnent leurs raisons du choix de cette profession. Cabiyango ke go don don de akan na dai ma don don ga ta go ma boyana gade nona dai ma don ko kwa lalle su ke go don don mu alhamdulillah dam dam gote auto jiri kina ke go don don akan ne sai mu dai na kan dai bon akan sai ke ci ga don don ci edi bore kul ka yan don ni wana igogudu anafa igogudu agomno igonge murade ferara ode seno imoine aika furara ga don don eme muwana La coiffure est un métier qui demande assez de patience dans son apprentissage. C'est une activité génératrice de revenus qui lutte contre la délinquance des jeunes et le chômage. Monsieur Wachar, bonjour. Vous êtes avec nous dans ce studio justement pour parler de votre reportage. Alors dis-moi, ben, on a tellement de sujets à traiter et tu as choisi de nous parler des coiffures pour hommes. Pourquoi le choix de ce sujet Bonjour Olivier, bonjour Salamatou, bonjour Adam. Et mon choix pour ce sujet, c'est un sujet qui a beaucoup attiré mon attention parce que même pas à Niamey seulement, même à l'intérieur du pays, euh, euh, j'ai constaté qu'il y a trop de jeunes qui sont adonnés à, ces, à cette profession. Hmm. Et je me suis demandé pourquoi. J'ai dit, mais pour poser cette question, il faut la poser aux intéressés. Et ces intéressés, c'est la jeunesse et les coiffeurs euh, modernes, surtout parce qu'ici on parle de la coiffure moderne, qui est très, très, très sollicitée par les jeunes actuellement. Et partout dans les coins, dans les rues de Niamey, dans toutes les rielles, tu vas trouver un salon, un petit salon de coiffure euh, des jeunes, et surtout des jeunes, que ce soit hommes et femmes. Merci à l'amir Ouachar. Chères auditrices et auditeurs, nous poursuivons notre aventure radiophonique avec la rubrique e-sportif. Et aujourd'hui, nous sommes avec Adam Sariou. Bonjour Adam, nous ouvrons cette page sport avec quelques résultats de la journée FIFA. Oui, Oli, eh bien, nous allons débuter avec la défaite du MENA National A qui a perdu hier face au Fennec d'Algérie sur le score de 2 buts à 1. Sachez que le MENA avait ouvert le score à la 39e minute par l'entremise de Daniel Sosa. Ensuite poussé par un 12e homme, que venu en homme pour soutenir son équipe, dans son tout nouveau stade Nelson Mandela, les Fenech ont égalisé à la 54e minute, puis ont doublé la mise à la 88e par Riyad Marez. Le match retour est prévu le 27 mars prochain à Tunis en raison de l'expansion du stade général séné Conte de Niamey. Autres rendez-vous ont eu lieu, bien évidemment, sur le continent. Est-ce qu'on peut avoir le résultat des soirées oui, le Madagascar a été surpris à domicile par une brillante équipe centrafricaine sur le score de 3 buts à 0 en faveur des visiteurs. Le Ghana a battu l'Angola sur le score de 1 but à 0. Le Congo-Brazzaville contre le Soudan du Sud, 1 but à 0 face, et 2 buts à 1 face au Soudan et en faveur des Soudanais. Le Zambie a battu L'Osoto sur le score de 3 buts à 1. Et enfin, le Gabon s'impose sur l'autre Soudan sur le score de 1 but à 0. Ça sera tout sur le continent, mais à présent, nous allons partir à l'international. Oui, dans les cadres des éliminatoires de l'Euro 2024, l'Italie a perdu hier sur sa pelouse face à l'Angleterre sur le score de 2 buts à 1. Le Portugal de Cristiano Ronaldo s'est imposé 4 buts à 0 contre l'Istantin. CR7 a cependant battu un nouveau record, Olivier, en sélection avec, 197e, avec son 197 e match avec le Portugal. Eh bien, nous revenons chez nous, au pays, pour découvrir la femme arbitre de lutte traditionnelle. Oui, elle s'appelle Nico Kunku, elle est togolaise et elle a fait ses études à l'Institut national de la jeunesse et du sport du Togo. À l'école, elle a opté pour le foot, mais a préféré évoluer dans le domaine de la lutte grâce à une formation organisée par la CDAO à Lomé en 2012. Et c'est en 2013 que Nuko a participé pour la première fois à une compétition internationale de lutte traditionnelle à Dakar, au Sénégal. Elle s'est confiée à Gourouza Hassoumi. je suis venue à la lutte euh, en 2012 euh, après avoir suivi euh, une compétition de lutte à Lomé, à, au Togo là-bas. Oui, je suis optionné football, mais j'ai plus aimé la lutte que le foot. Chers jeunes sœurs, le foot, les sports que nous connaissons sont très mal saturés. Il y a deux sports où mhm. il fait bon vent là-bas. On peut progresser, mhm. on peut être au même niveau. Mhm. C'est la peur, mais psychologiquement, il faut se préparer. c'est, la lutte est tout comme, les sports de combat sont tout comme, le football comme, et les autres disciplines. Merci beaucoup à toi, Adam, pour cette partie sportive. On te retrouve la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Oli. Merci, Sally. merci, merci, Adam. Après cette euh, partie sportive, c'est le moment pour nous de découvrir le portrait du jour. Le portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte de Afizou Abdul Karim, un apprenti coiffeur, un métier qu'il exerce dans la vie d'Iferouane. Farid Bouraima est parti à sa rencontre, un reportage rendu au studio par M. Maman Adar. Muna karfe takwas na safe, Hafizu Abdulkarim ya shirya ga tsabtace da share shagon askin da yake aiki kafin zuwan abokan ciniki ko masu bukatar yin aski. Mai shekaru 22 da aifuwa matashin dan asalin Arliti ne ya kasance mai koyon aski a Iferuwan aikin da ya runguma bayan ya bar karatun firamare. Na yi CMD a shekara biyu sai na gani sai na fita. Kasa kawai sai da fita lakon na rufe ma mizani kawai sai aka samu wanga ya taimaka mu ya jawo na hannun shi sa ni a jikin shi ya koya mu aski ni ma na san ciwon kaina na zo nan ni ma ifirwan shekara ta hudu garin ina aski ina tare da garan firar ina kenan ka gani shine babba na a yanzu a nan yanan kenan ka gani shine zai kula da komi ni dai in yi aiki in girma na gabana mu samu abin da muke so na nan ya fi kasan sana'ar kallo daɗi ta ke da tana karuwa da jama'a da yawa mutane in sun gane aiki hannu babba alkhairi ne yana da kyau sana'a suleiman musa aminansa kuma mai zuwa yana aski a shagon da hafizu yake aiki yana magana kan yadda wannan yake koyan aiki sana'a na gaskiya tana yi kuma yana samun kasuwa kuma ya iya aski sosai saboda mutane jima'a sun ke zuwa nan ga hawa bakin waje saman karancin duk mutane saboda spain sha a aski cikin garin ga gaskiya wajen da ake samu wajen aski inda ba wajen abokina gaskiya duk wanda ya zo bai iya samun a cikin su. Bubakar Mamman shine mai gidan Hafizu da kuma yake kula da koya masa aiki domin shine ya dora shi ga wannan aiki domin kare shi daga fadawa cikin shashanci. Gaskiya ta eh, tayanna kamar wannan shine hanya eh, mafi sauki ko gare shi kom da ya shi yaro ne kuma tun CMD ya bar harkar karatu bai zuwa ni kankan na sha kai shi da kwal yana komawa ba irin kashin bashin ba sai kwal. me na koma to yanzu na nuna kamar da ya tsaya na biyar da yan lega ana ta haka baza kara in shiga shiga ni kuwa saboda gobe kenan ko da bani nan ma na iya mu bar shi ya ci gaba da ake shi kuma in ya iya hallo karo eh, shi za a iya guda abin da ka so za a iya za a taimaka kowa haka kenan wannan shi ne wannan hanyar ta kawai wadda na sa ya dawo ga yi ne zama Dans l'émission Le Niger sur Kalangou, nous sommes heureux de faire connaître les acteurs de nos régions. Eh bien, merci infiniment à vous, chers auditrices et auditeurs, d'être avec nous pour euh, tout ce numéro de l'émission Le Niger sur Kalangou. À présent, bah, c'est le moment pour nous bah, d'accueillir le portrait du jour. a sashi cikin tukunya kamar da wani nama ake yin shi namar rago ake yin shi na rago na gaskiya fa ba na mace ba na namijin rago eh namijin rago ake yi mhm. kuma da da asa yajin shi kuma ba a sa yaji ko guda sai kimen ake sa a sa gishiri a sa kimen a sa da muna sa arom aka ce zuba bu arom ciki ko cikin dafuwa na kuma sa albasa mu sa tafurnuwa mu sa gishiri shikenan mutan tarkiya yi to kamar dafa shi mm. kamar kun ce da naman rago eh. naman rago kasattar rago wani irin rago rago moya saboda in ka samu babba kuma baya da fuwa da kyau da kake so shi sai ya yi wani abin ga kamar zare-zare yake shi kuma baya da fuwa maza shi ma na kama da macen eh. don haka na muke yi shi eh. dai wajen a ce dai 14 kilo shi ne normal 14 kilo 3 kilo 15 kilo deja yi yawa yanzu ku gaya min dalla dalla ya ne yanayin da huwai yake a wanke tukunya a dora aika kaza aika kaza a wanke tukunya a wanke shi a sa cikin tukunya ba a sa mai ba a sa ruwa eh hakan ga yake da kuwa eh shi kadai da yashi shi da albasa da tufurnuwa kuma an gama daidai da ake sa ba a sa albasa da yawa ba a sa tufurnuwa da yawa kuma a sa kore gugu ciki don ya yi kamshi kuma a sa guntun lori eh shi ma ana sa ciki ciwon ga mutan targi eh. kamar abinci ne wanda ake yin shi na talaka ne na mai kuɗi ne ya ne ake wanga mutan targi tun kakanni da kakanni shine ake yi an ce targi saboda targi buzuwa ce a targi to shine aka musu wanga suna mutan targi kenan da eh. ruwan macen buzuwa eh fon macen buzuwa kuma da fon buzaye ne na da eh, na zamani sai a sa tumati a sa mai kin gani a sa albasa da yawa kin gani ba mutum bane ya zan wani iri eh ya zan wani iri kenan shi asalin ita wannan dahuwa ta bugaje ce wannan dahuwa asalin ta ta bugaje ce ta ya ce to shi wannan ana gama shi kamar da me ake gama shi a ci da shinkafa da wani abu ko haka nan dai ga ana gama shi da kuskus a ci ana gama shi da shinkafa a ci me arasalin shi dai a gama shi da kuskus a ci ko da gurasa ko da alfutat Vous l'avez compris, c'était plutôt un tour en cuisine avec Awa Ousmane qui nous avait proposé une interview avec Gaïcha Mohamed. Eh bien, ils ont parlé, elles ont parlé, les deux dames ont parlé du mouton targui, une cuisine très prisée par nos frères Touareg. En tout cas, ayez de l'eau à la bouche pour la rupture. Pour nous, c'est le moment d'aller écouter le loti. Et en ce jour, les femmes du studio Kalangou nous proposent un sujet sur L'incivisme. La rubrique Lotti d'aujourd'hui de l'incivisme. Il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme à l'occasion des manifestations. C'est de cela que les femmes du studio Kalangou traitent dans le Loti Rukayato Abdraman et Maremade nous en disent plus. Affairage, se passe ici Apparemment, c'est une manifestation. Viens, on va se mettre de côté, sinon on risquerait de prendre des pierres à la figure. <laughs> Viens par là, des AA. Mais tu as peur de quoi comme ça Calme-toi un peu. Me calmer tu ne vois pas qu'ils cassent tout sur leur passage Et si les machettes se perdent sur nous Des machettes même, tu exagères. De toute façon, tu as toujours été une peureuse. Je préfère être une peureuse dans ce genre de situation en tout cas. En plus, ils commettent des actes de vandalisme, de l'insuivisme pire et simple. Comment ça Qu'est-ce que tu veux dire par ce gros français Tu ne vois pas ce qu'ils font Casser les feux tricolores et autres panneaux de signalisation, dégrader le goudron avec ses pneus brûlés et les monuments saccagés. Ah, d'accord, c'est ça l'incivisme Oui, tu vois, le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, le respect de ses conventions et de ses lois. L'altération de ces espaces publics n'est pas un avantage pour nous tous. Mais pourquoi ils font ça alors Certainement par manque de civisme, de dévouement pour le bien de la nation. C'est tout simplement un non-respect des règles de vie et de la recherche de ses intérêts personnels. Ce n'est pas tout, hein. Le civisme, c'est aussi rappeler une partie de nos devoirs citoyens envers les édifices publics, les feux optiques, éviter les constructions anarchiques, des cassis sur les voies publiques, éviter de jeter les ordures dans les caniveaux, pour ne citer que cela. Mais elles doivent être punies dans ces cas. Il n'y a pas une loi contre ça Bon, je sais que le Code pénal de 2003 du Niger, en son article 389, dit que quiconque aura volontairement détruit ou renversé ou tenté de détruire ou de renverser des monuments, ponts, digues, voies publiques ou privées ou autres constructions qui ne lui appartiennent pas sera puni d'un emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et d'une amende de 10 000 à 5 000 francs CFA. Je ne suis pas juriste hein, pour rentrer dans les détails. Oui, oui, oui, tout ça, ils le font quand même. Peut-être ils ne savent rien de cette loi. En tout cas, s'ils se font prendre, ils vont comprendre. En attendant, nous, on va se chercher. Mais Biba, essaie au moins de leur parler comme tu connais un peu. Qui, moi Mais tu ne m'aimes pas, hein Qui va m'écouter ici Regarde comment ils ont l'air possédés. Progressons discrètement, c'est mieux pour nous. Et puis tu disais que c'est moi la peureuse. <laughs> Après ce loti super institut teinté de mots de juriste, nous allons enchaîner avec la rubrique culture linguistique. Aujourd'hui, le mot de jour est le suivant. Aide. Aide. Aide non féminin, action intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. Appui, assistance, collaboration, concours, coopération, secours, soutien. J'ai besoin de votre aide. De moi, honnête Synonyme Appui, assistance, bon office, collaboration, concours, contribution, coopération, coup de main, coup de pouce, intervention, forme, euh, main forte, participation, renfort, secours, service, soutien, littéraire, faveur. Tout ça pour l'aide. Pour l'aide. Ok, monsieur Wachar. Et pour demander de l'aide en tamaché, qu'est-ce qu'on fait Pour euh, définir un peu l'aide أنت مشاك ouais. يعني تدهل تدهل تقلا صفة تموسى سم انتنتي فلقنيا تدهل تموسر تدوزة تاوية ويدن سجنا الشغل مدي استهكنا ترت مدي سدستي لا لا صرت ويتا جمانت أرتن وين موسن أنو غن تدهلي دا الصفة النسان أرتو موسن انت دا شيلاتني التي لا لا يويدن سدكالنا المثال Merci, monsieur Ouachar. Juste pour terminer, une phrase pour dire je demande de l'aide en tamashek. Ça donne quoi Merci, monsieur Ouachar. On te reprend la semaine prochaine. Bon week-end à toi. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Amis auditrices et auditeurs, c'est votre heure dans l'émission Le Niger sur Kalangou, la rubrique dans laquelle nous vous donnons la parole, la parole à ceux et celles qui nous écoutent. sunana abdurrahman mazaunin ciro ne muna sauraron gidan radio na azuru mai plus kuma eh, studio kalangu da suke bado su ma kamar nasu gudunmawa kwa da kokari kwa gaskiya mu abun da yake burge mu kalangu tana kara mu bisa samun labaruka na karkara kuma bayan haka nan kin muna samun fili na matasa judejan kinnan da wani guda kuma emission da suke tus alafada vraiment kamar emission ne wanda suke ba jeune kamar dama a san su bisa so activitan su wasu kuma dan a san su kamar bisa matsalolin da suke fuskanta ko a bisa wannan rayuwa ta yau da gobe kuwa ina gaida duk dabuwar fan na studio kalangu ina gaida duka ciro ina gaida sauran amunai na duniya duk gaba daya kuwa malam umar ina cikin ciro zerin ina sauraren shi to lalle shirye-shiryen gaskiya yana da amfani yana da karuwa lalle muna buƙatar kowane lokaci da mun kamo mu saurara mu ji ana yi muna son a raka yi kullum kullum ma ina gaida duka mata zirin. Suna sunana dauda shebu ni na garin babban kwari ne a cikin kwamitin mai jirgi cikin jihar tasawa kamar yadda na gaya maka shirye-shiryen studio kalangu suna birge ni shi yasa nake sauran su lokaci lokaci musamman ma labaran su da kuma wasu shirye-shirye da suke bisa kan harkar kiwon lafiya da bisa harkar ilimi da bisa harkar rayuwa ta matasa eh, kuma eh, shirye-shirye ne waɗanda ana yin su da yarurrukanmu na gida kuma shirye-shirye ne waɗanda suke ba da ƙari bisa kan abubuwan da suke cin mutuwa ƙwarya na yanzu yanzu kuma na hakika ba shiri ba bane wanda ake ɗaukowa na wani ƙage ko na abin ga kenan duk shirye da suke shiri ne na hakika kuma wanda yake daidai da zamani da kuma daidai da ayyukan da muke yi na yau da kullum a cikin karkara kaga wani abubuwa ne wanda hakika suna birgina a cikin harkar studio kalangu kuma Eh, shiri ne wanda na ga ana ɗaukar ra'ayin mutane sosai musamman ana neman shawarwarin mutane kuma idan mutane suka bada shawarwarin nan mun la'akari cewa yan studio kalango suna amfani kwarai suna aiki kwarai da shawarwarin da mutane suke basu wajen harkar gyare-gyare na tsare-tsaren ayyukansu kaga wannan ma abu ne mai kyau ka zo ka tambayi mutum ra'ayinka kuma in ya baka shawara mai kyau ka yi aiki da ita wannan abu ma ya burge ni tunda naga kamar cikin irin shawarar da ake basu ne har ya kasance sun kara wasu sabbin shirye-shirye domin ƙara kyautata rayuwar mu mu masu saurare wallahi wannan abu ne wanda yake ya burge ni sosai da sosai zan jinje da damtse ga dukkan ma'aikatan studio kalangu musamman ma malaman su masu fasara suna burge ni sosai da sosai saboda wallahi da taimakon su da gudunmuwar su ke sanya wani abu muke gane su tunda wani abu ba da yaran mu ake yin shi ba kuma sai mu gane dangance da abin da suke kuma ina mika safifiyar gaisuwar mu da ah, wakilan studio kalangu na cikin jihar mu musamman ma kamar eh, sa'idu sanke wanda ke aiki a radio tarmama tasawa mutum ne wanda bari muna hulɗa da shi sosai kuma ta hanyar shi ne muke samun wasu labarai kuma Amis auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de l'émission de ce jour. Mais avant de se dire au revoir, nous allons écouter le titre du journal de ce soir avec Satou, Adamou Sirfou. Oui, Salamoutou, l'édition de ce soir parlera de la célébration ce 24 mars de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, une journée qui a pour objectif de sensibiliser le public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie. Nous irons dans la région d'Agadez où le médecin-chef adjoint du district sanitaire de la commune indique une baisse de la fécondité chez les femmes en âge de procréer. Et le magazine du journal nous édifiera sur les rôles et attributions de la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale. Ce n'est pas tout. À partir de 18h15, retrouvez Mokhtar Hamadou pour le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. On se retrouve à 17h. Merci. Merci Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Chers amis auditrices et auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. C'est le week-end et vous pouvez retrouver les autres programmes du Studio Kalangou grâce à nos radios partenaires et notre site internet studiokalangou.org. Articles, podcasts, vidéos, le tout pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien.